الأذماني شيخ تيجان أدي البيان لأهلها متصايفا بالوافدين وجملة السكان لولا مقادير الحكيم إلينا عرفوا بما أحوي بهذا الشان شيخ تيجان لا تكسرن توصلا pour ñun journée bu mag la une journée importante parce que justement journée bi day permettre euh, au grand mouvement la relève pour que nous soyons kanam Benen kanam moi implication mon souci d'intervenir auprès des populations pour prendre en charge certains aspects tels que euh, les euh, consultations comme cible allaient de 0 à 12 ans boobu la mais déjà euh, il y a une projection pour la date du 26 à Bignona mais mais qui date Bobo? famille est concerné avons une détection du col de l'utérus parce que là également, c'est une maladie qui, est en train de faire des ravages dans le, dans le genre féminin. Sans compter maintenant que effectivement, un grand mouvement la relève, particulier, particularité, et moi, et de nous bouger, politique Sénégal. Changer les fondamentaux, n'est-ce pas, de la politique, en impliquant une touche de jeunesse, donc d'efficacité. Euh, Salam alaikum, je suis Rokaya Silla, Madame Sek, je suis coordinatrice euh, de la clinique Maristop Bouziganchor. di sage-femme nag loolu mooy sama métier tey nag vraiment ñu ñëwoon fii ci journée 19 euh, août bi def une journée de consultation gratuite des des enfants Je suis un enfant avec un avenir te euh, dëkk bi aussi bu xale yi amulee santé rek vraiment dëkk bi pour mu dem à 100 pour cent du du du du baax vraiment tey nag ñu kontaan loolu si le fait ñu recevoir ñi nga xamante ni. mon mooy euh, mouvement la relève bi nga xamné responsable bi mi ngi tudd Mouhamed euh, Sambou mu ñëw tay ci clinique bi pour collaborer ak waa Maristops Maristops organisation bi nga xamante ni centre de la reproduction lay évoluer si mbirum jëm ci mbirum yaay lu jëm ci mbirum dom rek moko taxa tax vraiment ñu liggéey tay liggéey journée bo xamante ni c'était vraiment pour faire le maximum offrir ben service bi nga xamante ne pour des enfants service bu doy waa des consultation bo xamante vraiment bu jaar yoon la et que ça a trop bien marché aujourd'hui mag yaay ñew nañu indi nañ sen doom mi def nañ consultation bo xamante on avait objectif de 60 enfants mais je peux dire qu'on a carrément dépassé li nga xam mom moy euh, mom moy ki bob kii chiffre bob noonu lu ko waral parce que soxla bi mo fi nek les enfants ont besoin de soins tay boko xolé sax ci xalé yi ñew yépp amé ko ñi nga xamante ne ñëw nañ tay ku ci nekk fièvre bu doon laqatu ci yow tay médecins yi nañ ko vraiment offrir leen aussi ay médicaments vraiment et euh, ñu kontaan ci lolu le la fekk aussi ñu def collaboration bi ni di ñaan nak que mu bañ fee yam au contraire bu ñu ko a sax ce sera extraordinaire parce que xalé yi ñoko soxla bu baaxa baaxa baaxa baax alors mohammed yaangi ngi nekk politicien mais en même temps y a un ci social bi donc lors def rek beaucoup de gens gën a nous on attend que ça nos portes sont grandement ouvertes et puis je ne bi gën di am ñun ñu gën mu parce que nous ñëpp nekkal fi xale yi moo ñu tax moo ñu moo ñu moo que les enfants vraiment et la santé bi nga xamante moom la ñu mérito bu donc, content euh, nañu Lolo, merci encore une fois pour cette euh, belle journée et que di ñaan Dal, l'initiative initiative genre yi au contraire que vous mënee am tout le temps tout le temps tout le temps ce sera extraordinaire merci beaucoup.